Ceci est, ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a ils ont préparé pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er février 2023. nous considérons le thème fini contre toute attente. Fini contre toute attente. Nous allons prier, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides, tu nous gardes dans cette parole qu'à la fin, Seigneur, ton nom, ton nom sera glorifié au nom puissant de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons fini contre toute attente. ni notre test dans le livre de Néhémie chapitre 6 à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Néhémie chapitre 6 à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Lisons la bulle ensemble s'il vous plaît. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de l'île en 52 jours, lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, oh, dans ce temps-là, il y avait aussi des grands et de Judas qui adressaient fréquemment des lettres à Tuboja et qui en recevaient de lui la plus car plusieurs en Judas étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shilkia, fils d'Arak et Kis que son fils Jokanam avait pris la fille de Meshulam, fils de Berikia, et ils disaient eux-mêmes du bien de lui en ma présence, et ils lui rapportaient mes paroles. Tobija avait des lettres pour m'effrayer. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 16 qui dit ceci là. Et lorsque tous les ennemis, tous les ennemis, tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, furent dans la crainte, furent toutes toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Souvenez-vous que nous parlons de quoi Finir contre toute attente. Allons dans le message. Il y a tellement de projets inachevés et abandonnés dans toutes les séquences de la vie. Pour chacun de ces projets, il y a au moins une raison à ce abandon. Une raison fréquente est l'opposition d'autres personnes qui ne veulent pas que le projet voit le jour un projet civil historique qui devrait finir en projet abandonné fut la reconstruction des murs de Jérusalem après la captivité prolongée de Judas à Babylone. Car ce projet dirigé et supervisé par Néhémie a subi d'incroyables oppositions de la part des ennemis de Judas à cette époque, notamment de Sambalat, de Tobijah et même de Geshem ces hommes et leurs et et leurs troupes ont utilisé le ridicule, l'intimidation, la confrontation, la fausse accusation et la manipulation pour stopper le projet, pour arrêter le projet. Ils ont échoué. C'est parce que Néhémie et son équipe ont compté sur le soutien divin. Ils ont fait preuve d'un engagement, d'une unité, d'une concentration et d'une consécration hors du commun. De nombreux projets nobles, ou bien de nombreux projets nobles, ont été soit apportés au stade de la conception, soit abandonnés à mi-chemin à cause de la peur des ennemis ou des opposants. Dans certains cas, c'est la peur paralysante de l'échec qui a empêché certaines personnes d'exécuter le projet que Dieu les avait confié. Dans le, cas de, Néhémie, il avait toutes les excuses pour ne pas consacrer ou bien concrétiser la vision donnée par Dieu. Mais sa vision l'a emporté sur toutes ses peurs. Il se peut très bien que Dieu ait placé quelque chose dans notre cœur pour que vous l'exécution. L'évangélisation, ça peut être que c'est l'évangélisation, ça peut être le service chrétien, ça peut être un projet humanitaire, ça peut être même vision de carrière ou autre projet personnel. Mais ce projet a été bloqué par la peur. Inspirons-nous de Néhémie et de son équipe. Commençons par la prière. À un rien de temps, et pour la gloire de Dieu, il sera achevé. Amen. Dieu veut que nous puissions finir, qu'on n'ait pas la peur. Dieu va nous aider. On va vaincre la peur au nom de Jésus. Et nous allons finir tous nos projets au nom de Jésus. Prions. Père, nature je remercie aujourd'hui, nous t'exaltons pour cette, pour cette parole aujourd'hui. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es un Dieu grand. Tu nous as montré, Seigneur, comment nous devons être fermes audacieux pour finir tous les projets que, Seigneur, tu nous as donnés au nom de Jésus. Merci, Seigneur, nous prions, demandons, Seigneur, la sagesse et le discernement pour ne jamais tomber dans les mains des, traîtres, des traiteurs. Nous prions, Seigneur, pour que l'amour parfait révèle l'amour de Christ à tous, y compris à nos ennemis identifiés. Nous demandons que l'esprit de conseil soit déversé sur nous, afin que nous ne manquions pas de sagesse à chacun, à chaque moment. Seigneur, nous prions que Dieu convainc et donne la repentance à tous les frères qui trahissent la mission de Christ. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, un projet abandonné n'est pas un bon témoignage chrétien. Un projet abandonné n'est pas un bon témoignage chrétien. Aujourd'hui, notre lecture biblique se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Deutéronome, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Amen. Que Dieu vous bénisse.